à obéir et marcher selon cette parole au nom précieux de Jésus. <clears throat> Nous prions Seigneur, conduis-nous cette parole et aide-nous à obéir et à marcher selon cette parole. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous considérons la justice éternelle. Nous allons considérer notre test de lecture dans Psaume 119. Psaume 119, à partir du verset 137 jusqu'au verset 144. Psaume 119, Lisons à partir du verset 137 jusqu'au verset 144. Lisons la parole de Dieu ensemble. Tu es juste, ô Éternel, et tes jugements sont équitables. Tu fonds tes préceptes sur la justice et sur la plus grande fidélité. Mon œil me consume, parce que mes adversaires oublient tes paroles. Ta parole est entière éprouvée et ton serviteur l'aime. Je suis petit et méprisé, et je n'oublie point tes audiences. Ta justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. La détresse et l'angoisse m'éteignent, mais tes commandements font mes délices. Tes préceptes sont éternellement justes. Donne-moi l'intelligence pour que je vive. Notre verset clé, c'est le verset 142 qui dit La justice est une justice éternelle et ta loi est la vérité. Euh, souvenez-vous que nous considérons la justice éternelle comme thème. Allons-y dans notre message d'aujourd'hui. Du point de vue des Écritures, ce qui résulte une action, c'est la justice. Pas même des prières, ni beaucoup d'hommes de Dieu avec de grands titres et charges ne sont promptes à rassembler tout le monde sous une bannière commune pour prier et intercéder pour nos nations. Récemment, les chaînes de prière en ligne sont devenues une plateforme permettant aux chrétiens de se réunir pour prier pour une chose ou une autre, sans que l'on insiste trop sur la justice. Sa mise dans notre test aujourd'hui a souligné la droiture du changement de Dieu. Il est décrit comme un Dieu fidèle dont le, les commandements sont justes et <clears throat> non pénibles. Le passage entier est dédié à la purité et à la vérité de la parole de Dieu, chaque verset soulignant l'importance et l'utilité des Écritures. La partie conclusive parle de Dieu lui-même, parce que vous ne pouvez pas le séparer de ses paroles. On dit que sa justice est éternelle et ses commandements devraient vraie délice. L'homme naturel a essayé et a échoué à plusieurs reprises pour établir sa propre justice en dehors de la justice qui vient de Dieu. Nous ne pouvons pas devenir des hommes meilleurs en nous imprégnant des enseignements de la religion. Si l'homme pouvait être sauvé par la pratique de la religion, Christ ne serait pas mort sur la croix pour assurer le salut de l'homme. Tout en péché et sont privés de la gloire de Dieu. La seule voie, vérité et source de vie ouverte pour le salut est l'humanité. Le salut de l'humanité. Christ est la seule voie. Christ est la seule vérité. Christ est la seule source de vie ouverte pour le salut de l'humanité. C'est Jésus, le Fils Dieu. Le Seigneur aide vraiment à penser que le Seigneur, la justice, la seule justice, qu'on a quand même, ce n'est pas nos prières, ce n'est pas nos vengeance pour les nations qui peuvent donner ce que nous voulons, pour la paix, mais c'est la justice. Que le Seigneur nous donne la grâce et la justice dans nos pays au nom de Jésus. Nous allons prier. Nous louons le Seigneur, nous te glorifions Seigneur pour la justice éternelle. Demandez la grâce de rester de plus en plus dans la justice à jamais. Seigneur, pour promettons, demandons Seigneur Dieu qu'on va s'engager à l'étude et à la réalisation de ta parole. Et nous demandons Dieu, Seigneur, plus de compréhension de ces paroles qu'on les dit au nom de Jésus. Nous prions que la parole agisse puissamment dans notre vie lorsque nous l'écoutons. Demandons la puissance de Dieu descende Seigneur, n'importe où on se trouve, dans les prédications de l'Église, dans les croisades, n'importe où on se trouve, on qui que la justice de Dieu, vraiment, Seigneur, euh, accepte, même dans les croisades que nous faisons. Seigneur, euh, que la, que la parole de Dieu soit glorifiée et que le nom de Dieu soit glorifié dans la vie de tous les téléspectateurs et même dans tous les participants dans le monde entier partout. Seigneur, merci parce que nous savons que tu nous as exaucés. Au nom prêché de Jésus, nous avons prié. Amen. Notre, notre pensée du jour dit ceci. La justice de l'homme est comme un chiffon sale devant Dieu. La justice de l'homme est comme un chiffon sale devant Dieu. Notre, texte, notre texte de lecture se trouve dans le livre de Zacharie, chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Zacharie, Zacharie chapitre 6 jusqu'au chapitre 9. Merci que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.